il y a la société, vous ne pouvez pas barrer la, vous pouvez pas barrer la route. Non, c'est bon, la route n'est pas barrée, c'est bon, c'est bon. Et si vous connaissez comme ça, on va occuper la société. Merci. Les barres, c'est bon, c'est bon. C'est bon, calmez-vous. Voilà, on demande. allez Maître Saint, deux ans de prison ferme pour ce Sonko votre réaction s'il vous plaît. expliquer maître nan la silence s'il vous plaît on démarre micro y 5 4 3 2. à ma cliente. madame Adira Bissar la somme de 20 millions solidairement avec Ndeye Khady c'est une satisfaction pour les avocats de mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé. Le viol n'a pas été retenu. Le viol n'a pas été retenu à ses parties intimes. C'est comme un viol. Donc les autres là ne crient pas victoire. La victoire, c'est qu'on n'a pas nié l'existence du contact sexuel. On n'a pas nié les dommages causés à la jeune fille. On n'a pas nié donc l'existence de sperme confirmée par le laboratoire du CTO. Donc la culpabilité de M. Sonko a été établie et retenue par les juges de la chambre criminelle. Par conséquent, nous avons une satisfaction, c'est vrai, un peu mitigée, on n'a pas une satisfaction totale sur toute la ligne. L'homme propose, Dieu dispose. Mais nous avons au moins une victoire, une grande victoire, sur une personne qui a toujours menacé les juges, qui a menacé la société, qui a menacé l'État et qui se croyait au-dessus de l'État, au-dessus des juges et qui n'a même pas respecté la chambre criminelle en refusant de se présenter devant elle. Par conséquent, par conséquent, jugé par contumance, l'homme Ousmane Sonko doit aller en prison pour deux ans. C'est donc une satisfaction morale. quel est euh, le, sentiment exactement de votre client Oui, oui, ma, cliente comme moi n'est pas satisfaite donc d'exercice de la puissance sur Agissar exercice de l'influence sur Agissar pour pouvoir accéder à son intimité. Nous allons nous concerter pour voir tout cela, mais pour le moment, laissez-nous laissez fêter notre victoire. Nous, nous ne sommes pas satisfaits totalement, mais nous sommes satisfaits en partie. Donc nous avons une victoire, on n'a pas une victoire totale mais on a une victoire sur un homme qui a essayé d'intimider la justice, d'intimider l'État, de montrer que si on le condamne, ça va faire hein, euh, exploser le pays. On va vers le chaos si on le condamne. Aujourd'hui, Ousmane Zongo est condamné à deux ans de prison ferme. Et il a été déclaré coupable. Donc Ousmane Zongo est un coupable. Allô Mais ci xalewaayam ci ñàkk dooleem nga abusé ba mën a tëdd moom kon loolu kon la saar Sarr waxoon en parti nangul nañ ko ko loolu indi ñaari at yi nga xam ni Ousmane Sonko war na ko tëdd ci kaso bi kon suñu mbégte am nañ mbégte bu rëy waaye mbégte bi may ma may ma may ma am nañ tey mbégte bu rëy mbégte bu rëy mooy Ousmane Sonko dafa gëmla woon Sénégal yi dafa am doole ba tax bi ko war a au tribunal dëkk bi di bëgg a toj muy yàq dëkk bi di taalu dëkk bi bëgg a jaay doole juge yi di leen intimider di leen saaga moom Ousmane Sonko ba ñëpp demoon nañ ma foog ni kenn ñemewul àtte Ousmane Sonko mu sell mi tey tribunal war na ni Ousmane Sonko sellul na tëj na ko ñaari at yoo xam dafa ne ko am na loo seeg ak xale bu jigéen boo xam ne da ko jaay doole da nga ko woon da nga ko woon ah mu ragal la nga am noo def ak moom kon dama tëdd ñaari at kaso kon xam ngeen ni wedd wu ñu seq na dara xale bi waaye viol dañ naan viol mooy loo xam ni kale bu jigéen bi d'accordu ci. lampaay bi nag lan lay joxe ci koppar. waaye yoon nee na ginnaaw mu teg ko ñaari at yu war a tëdd fii ci kaso bi jege bii ku ñëwoon bu ñu ko tëjee dëkk bi tàkk yoon am fit tëj ko mu war fay. six cent mille francs amende ël bu dikku ñaar fukki million moom Ndeye Khady Ndiaye ñu jox ko ndàmpaay solidairement ah à Adjira bi Sarr kon ku deful dara doo tëdd ñaari at ku deful dara doo fay ñaar fukki million kon tey am nañ ndam lu rëy a rëy waaye ndam li mënoon naa gën a rëy nag buñ ko ñafoon fukki at buñ ko dóoroon fukk. mais Ndeye Khady Ndiaye lan lañ ko daan ba pare. comme retenir nañu viol ñu ko tëj ci loolu. xam nga incitation à la débauche kese la. waaw moom mooy jël xale jigéen di leen di def loolu dul noonu. est-ce que di ngeen def appel maître. loolu dinañ ci waxtaanaat. ñoo xool ndax sur client sur client am na mbégte mais am na lu ko naqari li ko naqari mooy mu doon nekk kim jiiñ ji tëj ko fukki at ndax loolu loolu viol loolu wax waaye bañ ko tëjee ñaari at doo am mbégte bi yaakaaroon mais comme moom ponkal la moo xam ne ñu bëree ko ragal ci réew mi. ñëpp foogoon na ni buñ ko tëjee dëkk biir tàkk foogoon na ni lu mu def rek day dem fee menacé oote ay meeting rassemblement garsa garsa pour ñëpp ragal ko waaye garsa garsa massa massa deux ans de massa massa la. kenn de droit été dit selon le droit a bi mooy apprécier. ñu après on commente rek comme yow Ousmane Sonko est inéligible du mëna bok ci élection yi am nga ci cadre lolu lolu yag na depuis Mambay Niang la bokatul teud bi kañ la kay wacc depuis depuis diko liñ ko tejon ci Mambay Niang ci la la bokatul bi bañ wit na ci yokku rek ah teud heure bu ko yon bëggé rek heure bu nexé yoon jëli ko dem kay teud Merci beaucoup. Ah, Merci. Non, continue, heure bu nek mëna la japp. D'accord. Euh, ci bir ñan ñoo moom lii